parce que après décès Cheikh am na ñu bëri ñoo xamante ne ay membre daara Kocc la ñoon mais dañu dem. kan ak kan. Euh, Ndey Mour après da bi tonton ah, Cheikh gaañoo gisuma ko. Euh, ma jaaga bi tonton Cheikh gaañoo gisuma ko daara Kocc ak ñeneen ñoo xamante ne aussi su ma limee damay jub. Euh, d'abord cas Ndey Mour vraiment c'est un cas qui revient souvent quoi man chaque fois bu ñu ma interviewé que ça soit presse écrite presse parlée wala télévision on me parle de Ndey Mour mais dañu def feedback qu'on jette un peu le regard en arrière Ndeye Moon Ndiaye laaj leen ko production daaray c'était bien avant le décès de Cheikh Tidiane bien avant le décès de Cheikh Tidiane Diop n'était plus à daaray donc pourquoi moi on me pose souvent la question de Moon de faire daaray mais Ndeye il a na daaray avant le décès de Cheikh Tidiane du moins je a jege na fa mais je mais tout le monde. la dernière production de Ndeye je man peux la ko dire mais yi y ko ci mujj def avant le décès de Cheikh Tidiane Diop kenn gisul si Ndaïmoun Mour je n'ai rien aucun, ma aw ben problème que ça soit très clair hmm? je n'ai aucun problème avec euh, c'est un artiste confirmé c'est une artiste talentueuse Il ben problème li def euh, mën na mais man au décès de Cheikh je me suis appuyé sur les artistes qui étaient là. mais musoko ko woo pour seq moom non je ne woo pas il faut dire euh, la vérité quoi ne suis pas parce que tamit euh, généralement bu may woo que que profil bi suis pas sur place quoi mais si le profil bi ma soxla le casting bi nekk sama bopp autour de Daaray Coach. Euh, mu je préfère prendre les artistes qui qui sont à Daaray Coach, qui sont présents euh, aux répétitions avons un rôle et nous avons un rôle Ce ma jëli li ma jëli keneen ku ko ci pour ne pas dire à 100 il cent ay je me rappelle euh, le 13 c'est si laa jëli après mu intégré bi may def la sangre, si la ñëli ñànku sa ambien après mu intégré bi may def euh, le 13 aussi surtout bima ma rôle bo xamné papa ji day am poigne affaire de nonu dégg wolof dégg français j'ai pris Ndiaye dos qui n'était pas à Daaray coach yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla te te yéexañu donc pratiquement Lucy Barry bari ay góor la jëli ñu bokul daaré ko et après ma la troupe euh, après bon donc rek la du dara maintenant ñeneen ñi ah je ne sais pas peut-être ñeneen ñi euh xeyna def choix ils ont fait leur choix ont ñi nga choix. Ils ont fait ci première production Daaray Kocc am na ki nga cité première production Daaray après il est revenu après il est reparti euh, parce que dafa gis yoonam formé doon mu former ay il s'était dit que Cheikh Tidiane Diop Gandhi na fait mu def ci un peu d'expérience expérience pour faire bénéficier des artistes qui n'ont pas la chance d'être à Daré c'est une initiative que j'ai beaucoup aimée, donc il a créé la troupe la troupe Jam mais à cause de Mansour Mbaye de ay euh, euh, nous mu euh, borom comment elle s'appelle encore la fille de Maman Gentille elle a elle a explosé foofu ko ñep xamé actuellement aussi Sumbulu si la si production Mansour le ko donc c'est une initiative qu'on ne peut pas condamner une initiative qui est louable et il a choisi sa voie à partir de ce moment les autres aussi ñi ñi xamné dañu ko après au décès et de Cheikh Tidiane Diop.